Bonjour, je m'appelle Oumingay, j'ai 24 ans, euh, j'habite à Malika. Je suis venue pour me présenter étant animatrice musicale. Euh, oui. Chaîne YouTube. C'est Blue TV. Animatrice musicale, présentatrice d'émissions.

BG shop moo fi jaar BG shop moo ma defal lii ci sañse bu baax balaa boobu nag dañuy def benn page publicitaire ñëwaat léegi léegi.